Euh, parce que parce qu'en réalité euh, la ZAC de nous créé en 92 par un décret 1035 du 30 juin 1992 donc nous avons 600 hectares 600 hectares seul le village de Cambo le village de Kambo, moo état pour mu am xam nga avec les prédateurs fonciers. Mhm. pour état bañ mu am mu un site désorganisé nous neex way nga nga lotissé état jël en charge tout ko la zone d'aménagement aménagement attribué ko 405 hectares. Mhm. la attribué au sud jox 180 hectares hectares jël nord ouest jox 110 hectares jël euh, nord est jox ko 105 hectares muy 485 hectares non l'État ko état di séddalee mhm. ba fondre tous les titres qui sont yi fa mhm. un titre le 352 DP. Mhm. c'est le titre global de la ZAC non mais je vais vous nga que foofu sa rek régie euh, Ndiaga soo mënee changer le titre bien, ah ngi euh, ZAC à la place de Kermassar. Massar bu ñu jógee ZAC Mbao après si dañuy euh, point bi di Kër voilà donc état bi mu tout ko ZAC zone d'aménagement concertée, concerté li indi concerté bi effectivement étendue bi de amoon. nos parents bouts de risque et de il yu fa bail Il mhm. y avait des titres fonciers et à concertation bi ou ak ñom ku ci nek ba et yow damp la état jël lepp mol ko jox ko ben titre muy 352 DP c'est le titre global de la ZAC dambaw première tranche deuxième tranche. Mhm. en 92 lañ ko créé. ah bi lolu wesso ñuy dem bobu temps ku xam zone bi man presque 98 la vitose toxu mhm. le premier habitant 95 de vitose en 92 fi ko xam ko et d'ailleurs les limites sax yi doon wax doon wax ni au nord limite route nationale numéro 1 Dakar Thiès au sud euh, mu euh, le projet de l'autoroute à péage Dakar Thiès à l'ouest mu la forêt de Mbao à l'est les anciens de Rufus le djelon c'est-à-dire la lettre de présentation non présenté mmh, parce que bon fi àll dara newu fi mmh nous sommes di dem 96 le décret 96 96 745 du 30 août 1996 bon Abdou mon ex président de la République. Hmm. abdoujouf premier ministre. même en 92 c'est Habib qui signé et créé les communes d'arrondissement. Hmm. les 19 de Dakar les 16 de pékin les 5 de Guédiawaye et les 3 de Rufisque Rufus Rufisque Nord. Rufisque Est Rufus Ouest. Nous hmm. avons créé les communes d'arrondissement mais la limite entre Mbao et Rufisque décret bi euh, euh, le centre moy Fiki bi mhm. le centre aéronautique civil. Mhm. la piste qui passe au sud du centre aéronautique civil jusqu'à la route nationale en passant par la route qui dessert cité La route qui passe par cité Capec mais qui dessert cité Capec. de la nationale 1 e jusqu'au croisement Cap de Biche de la nationale jusqu'au foyer de charité foyer de charité bi partie intégrante de la commune de nous disait que décret bi nous la neex nga nga nga le feu Mbaye Jacques yalla yalla yeureum ak Demba Seck ñom ñaar dañ ci dañ ci ba Mbaye ah. samp mhm. mhm. donc Nous ah, dem di dem di et pour rappel le gouverneur je suis ma en 2014 je na fi de je faisais partie de la délégation. récemment j'ai vu une image bi mu recevoir sax ki nga xam ne euh, voilà donc gouverneur je pense ah, en c'est le maire de Mbao si je ne me trompe pas c'est vers les années 2014 Bon, Mbambouki qui est le préfet de Pékin, mhm. mais j'ai voulu ban gouverneur ils étaient venus pour régler ce problème parce que quand deux départements ont des problèmes c'est le gouverneur qui, qui, qui tranche. Pas le ministre, mais le gouverneur. Mhm. Moi, il tranché. Le gouverneur est venu avec une forte délégation, les maires, les sous-préfets, les préfets, la destos, nous avons fait le tour. Vous nous dem la route euh, des émetteurs Moi, bi jaar Sonatel bi mhm. route Bob. ñu dem ba route bi séparé c'est ça la limite occidentale de de de mhm. gouverneur xool dem n'a pas produire un document administratif. nous tous gouverneur gouverneurs nous Obama le maire de Mbao. je suis le directeur de cabinet de Obama. jour où Cap de Biches Cap de la délégation. parce que je me rappelle jour monté j'étais chef d'accord au niveau du Cap de biche maire de pour voir la limite entre parce qu'il y a des problèmes. Nous mm-hmm. le gouverneur mm-hmm. document administratif. Mm-hmm. Mais Omar un bon partisan, un ministre partisan, qu'est-ce qu'il a fait Il a convoqué dans les locaux de la La L'ANAT faisait partie du département de Omar Gueye. Gueye, le, 12 juin 2020, dans les locaux de l'ANAT, nous avons une décision. mais les deux voix ils ont ci bureau ont bi. Mhm. séparé en 96 92 mais tous les il y' a problème parce que Gueye cette décision nous jël d'accord Nous gouverneur ñëw pour régler problème bobu à deux reprises mënul fexé ba régler ko mom mu xey rek bind notam mais li Omar Gueye bind ak décret ban mo gëna a fort mais décret moo gën a fort li ministre bind mm-hmm. décret moo ko gën fort mm-hmm. mais Omar Gueye il a agi en partisan ñun ni ñu ko jappé et nous allons continuer ce combat là duñ ci d'accord duñ ci dem ginnaw fan la xeex bu toll actuellement xex bi actuellement on est en train de nous organiser. Mm-hmm. ñi ngi organiser on nous avons une réunion le samedi. réunion nañ temps yi passé samedi on a une réunion bon, quand même, on va rassembler toutes les forces vives. Amul Pastef, la BOC, Amul Apé, la BOC, Amul Fier. En tout cas, on, a, on convoque tous les citoyens pour mener ce combat. Parce que nous, nous avons dit que le décret de Omar Gaïd, nous avons fait le défi qu'on a. Moi, le, 20, le, le, le, le, le 12 juin, le convoqué dans les locaux de la RAD. Le, 23 juin, gouverneur a lettre. Mm -hmm. Le 25 juin, le préfet les préfets ont la la note envoyé ko les maires. mais le maire de Rufisque Ouest le 9 le 9 septembre si je ne me trompe pas c'est le jot c'est la ci la jot note bi. parce que moi je me rappelle comme dama leen miin dama daan ñëw tëngéej ñu may tooñ naan ah yow c'est fini léegi yéen. fii mbaaw la fii la lu wax ni. mais trois mois après le colonel de la DSCOS est venu nous notifier te bi muy ñëw sax génnewul këyit maa ngi taxaw je suis venu. vous vous notifier que cette partie maintenant fait partie de risque bi fait partie de mbaaw mais comme nous, ah, les nouvelles autorités ñun véritablement li, on va tout mettre ça aux nouvelles autorités ñu jubanti parce que ñun dañu jàpp ni lu jubanti. d'accord accord euh, yow yaa ngi euh, yaa euh, conseil municipal nga si mairie bu Mbao vous faites partie de l'alliance pour la républicain APR et actuellement le nu maire bi nga xam Abdou Karim Sall la bokk tay ji la mo nekkon sa taxaway ngir mën a jëmmal lolu ba laata ñom ñu fee jógee ñu rectifier erreur bi nga xam daan na koy et te li ko soxé bokku lu nga xam ne des choix politiques. oui le problème est amee. il y a un comité ad hoc bu ñu def pour lutter cette injustice. On, est allé voir l'ancien le maire, l'ancien maire. Au moment, je pense que c'est le maire de Mbao. Mm-hmm. On est que le maire de Mbao. Mm-hmm. Parce que moment entre-temps, j'ai démissionné de mon poste de directeur de cabinet. Mm-hmm. Donc, nous sommes sept moi, je parce que j'avais un décès à Thiès. bon, qu'est-ce qu'il a dit au gars Bon, effectivement, il a dit qu'il était taw il a mais dañ ko ëppoon bon il était minoritaire là-bas donc gars il def li def. parce que euh, on a convoqué les maires Nous top dans les locaux de l'ANAT mm-hmm. donc bi ci Nous comité ah, effectivement c'était Abdou Karim Sal ce jour là il a appelé directement le président de la République Le président il était à l'étranger Nous, à l'étranger Il ah, y a un problème Le président je vais mettre un rapport avec Omar vous allez voir pour régler ce problème voilà en ah, bon partisan ah moom loolu mu def tey euh, du wax mais xam ni s'il n'est pas élu encore maire de Sangalkam parce que dafa jël kunun ngalam ak yooyu yëpp boole woon ko ci kii yëpp. Mhm. tamit ils n'ont pas voté pour lui. Mhm. donc moi, tax tey bu bàyyi woon bu ba dafa doon découpage bàyyi noonu. certainement mun na jëlaat Sangalkam. Mhm. mais bu mu jël élargi la ko wad Wade dindi woon mu delloowaat ko fa. entre temps les esprits xam nga ont changé. donc euh, looloo tax xëy na sax faluwaatul. Euh, nekk maire de euh, Sangalkam euh, mais Abdou Karim Sall daal bañ ko seetee seeti Obama ñoom ñëpp d'accord nañu lii injustice la bu ñu war a kii man je suis nekk naa conseil municipal si taw Mamadou Seck mm. Mamadou Seck disait que maa ngi toog di xaar ba kenn dagg zag bi naan ko da nga yóbbu tëggee

et depuis 96 ba 2020 mais combien d'années -hmm. toutes les écoles yi nekk côté Bob, ñuy wax l'IEF de Thiaroye lañ bokk bokk l'IEF de l'IA de Pikine Guédiawaye le poste de santé est polarisé par Sicap Mbao mhm. man am na yoo xam ne ah, moom délibération yi yooyu man maa parce que gars pour construire une école il faut une délibération du conseil mhm. municipal. Mhm. délibération Mbao moo ko def. en ce moment là ana Rufisque. mais mais euh, général on dit pas ZAC de Rufisque on dit la ZAC de Mbao. ZAC de donc donc donc toutes les cités. c'est coopératives les promoteurs immobiliers. moi je fais partie des premiers habitants de Capex la première cité installée dans la mhm. je connais tout le monde. Mhm. ñi ngay ils sont minimes je connais tout le monde man Amadou je connais tout le monde n'a est-ce que c'est pas une lutte c'est pas c'est pas une c'est pas une day day mu et puis c'est pas parce que séparation fi mu amé muy côté muy côté bi la supposé à avec de l'autre côté même les délégués de quartier la 90 des délégués de quartier sont ils sont pas d'accord sur sur le truc. Ah même le président des délégués de quartier. c'est lui le président du comité ad dem y la cité mam qui a un délégué de quartier pourquoi installer deuxième délégué de quartier. la cité Sociedad délégué de quartier un deuxième délégué de quartier nous avons deux délégués de quartier. SAGEF de euh, euh, enseignement supérieur defuñu le maire de mbaaw le fait hmm. mais comme 26 ans de compagnon cest à même yow 26 ans nous nga dendal séparer culturellement ce n'est même pas bien. Hmm.